foofu si diwaanu ko pale diggante ak Diomaye ak ki na a xam ne que ministre de l'éducation nationale euh, li nga xam ne itam yëkki ko je euh, jëmale ko si euh, élèves surtout aussi si règlement si li nga xam que moo école et tant de points euh, qui feront l'objet de notre discussion et c'est émission li nga a ne que

allant euh, dans ce sens exactement alors attends nous euh, ne dit que nous avons ji euh, nous peut-être pour lancer un mandat international pour droite peut-être ñu Ousmane un contumax jot Nous nag ñu daal nous lu nu mel oui xam jugement bi dafa dafa parce que contumax lañ doon wax ni ku ñu ci manam maanaam max bi dafay jeex directement donc euh, ce qui veut dire que euh, le procès euh, va va reprendre son cours pour nous xam fan la deug parce que ça fait partie des dossiers les plus brûlants oh, dans ce pays nous avons ne sénégalais donc euh, il y a aussi des des causes et euh, dommages et intérêts ay entreprises yoo xamante donc euh, c'est parti en feu hein. donc peut-être Ossan ne dira pas le contraire les stations d'essence totale ne diront pas le contraire. Qui procès Bobo Ousmane Sonko Adji donc nous maintenant nous aajo avec euh, euh, contre Max bu bu il faut que nous un procès euh, de Adji et euh, des gens ont comploté pour Agissar Guénéréomi. C'est ça le problème. C'est là où il y a le défaut. Euh, il y en a des gens qui ont comploté pour Agissar Guénéréomi. Oui, mais bien sûr. Mmh, mais Agissar peut-être, c'est pour renforcer défenses étant donné. Non, on a dit que a, voyagé avec un passeport diplomatique. Quand on dit ce passeport diplomatique-là, c'est la question majeure. C'est la question majeure dont on doit se poser donc euh, dañu ne am taxaw ne aji sar passeport diplomatique lañ ko jox mu voyager maintenant kan mo jox aji sar passeport diplomatique bobu c'est ça l'interrogation moo ne la la personne qu'on doit rechercher dans ce pays chaque jour ma wax ko euh moy ki jappalé aji sar mu voyager c'est la personne là dont on doit chercher en sachant que aji sar mu ci procès bo xamante ne jeexagul parce que contumace bi dafa dañu ne contumace bi feeñoo na Ousmane Sonko feeñ na ba contumace bi maintenant Adji ne devait pas bouger le territoire national c'est ça aussi maintenant ñi comploter pour que Adji Sarr am passeport diplomatique bob mu voyager en Suisse aujourd'hui ñu ñu tantôt en France tantôt en Suisse ak France loolu fokk ñu saytu ko pour xam réellement Adji Sarr fa la nek ci planète bi té aussi kan moko jappalé mu voyager mm. té bu voyager bu que état du Sénégal voilà la justice sénégalaise je ne wax sa état du Sénégal damay la justice sénégalaise bu que justice sénégalaise dafa te garde ce procès là pour cet alder parce que dossier bobo euh, ça a tellement porté préjudice donc euh, la sécurité de ce pays dafa menacer sécurité du pays dafa aussi normer l'institution judiciaire du Sénégal maintenant fait que dossier bi causé a tellement de mal à ce pays il faut que nous situer les responsabilités maintenant situer les responsabilités il faut que nous ayons kan mois def ak kan la jeune masseuse Aguissar, il faut que nous ayons leeral ci sénégalais sénégalais dossier bi lan moy deug bi parce que moi, je porte plainte Ousmane Sonko c'est à lui d'amener des preuves maintenant bu que eh, la justice sénégalaise nam na tëggaat procès bobu il faut que Aguissar, deux situations qui vont s'imposer soit Adji va revenir ñu def procès bi ou bien dinañu def le procès à son absence bu su bu boobaa yoon bu daanee Adji dañ koy àttee comme Contimax, parce que elle a fui elle a fui maintenant bu ñu àttee Adji comme Contimax. <laughs> là dama interroger un avocat là dafa le max risque de tourner à l'envers lolou la waxé l'avocat mu ne ma du dañu condamné Ousmane Sonko par Contimax. Je ne ko waaw. retournement de situation mu ne le Contimax décide comment risque de tourner à l'inverse ko retournement de situation. voilà je ne ko ban lan ngay wooyee à l'inverse mu ne au lieu de Ousmane Sonko qui est le Contimax, ça sera Adji qui est le contumace. Hmm. daf ma wax wax bu am solo mu ne ma le Contimax risque de tourner à l'envers mais enfin revenant si nga ne hmm. Adji Sarr li ko génne dëkk bi dafa am ñu comploter ak dafa am ñu nekk concrètement bien sûr bien sûr mais am na ñoo xam ne jàpp nañ peut-être euh, ñiy sàmm euh, droit de l'homme yi ñoo ko jàppale et tout te seen rôle la parce que Adji Sarr jàpp na ni euh, elle a été persécutée fii Sénégal non non c'est pas les droits de l'homme yi bu leen hmm. tuumal ay les droits de l'homme ici. les droits de l'homme est-ce que xam ngeen bu baax li ngeen di wax les droits de l'homme ici ñoo jàppale Adji Sarr mu génn Sénégal pas les droits de l'homme yi carrément maanaam ñiy xeex jëmale si ak ak yelleef doomu aadama ñu jàppale Adji mais pas le structure mais pas la structure quand même mais peut-être ni xeex si mel une bonne volonté allant dans ce sens. disons nga dama organisation non organisation yi wax non non pas l'organisation maanaam c'est-à-dire euh, personne de bonne volonté mun nañu pour mais loolu la wax la personne qu'on doit rechercher dans ce pays c'est qui a Adji Sarr mu voyager man loolu Maintenant, concernant les droits de l'homme, voilà les, les, les, organisations là. Les organisations là, dans ma affaire. Vous voyez, vous avez dañuy bind bataaxal wala balaa ñuy jàppale nit dañuy jàppale nit ba pare génnee bataaxal ni que diw ak diw et euh, a vécu ça et ça dans son euh, pays. et origine de ça et ça et ça waxuma euh, la structure c'est pas mais ça dit ces personnes de bonne volonté mun nañu ko jàppale avant. c'est pas des personnes c'est anonymat. c'est c'est man damay wax contraire bi. c'est pas des personnes de bonne volonté mais de mauvaise volonté. tu sais ah, pourquoi lu tax lu tax non mais Adji Sarr. À ce qu'il a causé à ce pays. Mais est-ce qu'elle pouvait rester toujours au Sénégal Non, mais bien sûr. Elle a toujours resté au Sénégal. Elle est toujours restée au Sénégal. Aguissar est toujours restée au Sénégal. Lan Il ne faut pas dire que est-ce qu'elle euh, doit rester au Sénégal. Mais elle est, née au Sénégal. Elle a grandi au Sénégal. Même affaire Biboumou Hewe, elle est toujours restée au Sénégal. Maintenant, pourquoi on dit qu'elle ne doit pas rester au Sénégal Aguissar, quand Mokodour da ngeen gis agression physique qui a mais amul c'est une citoyenne sénégalaise elle doit être là si vous que mon montagne vous nga lu dal devait être là comme ça bu que moo comme nous ay zaaru Doro ay la gis procès mais lan lan vie procès war là am moom nous ñu bu fekkee tooñul ñu bàyyi ko mu ñibbi mais c'est comme ça. c'est simple c'est simple. amul lenen ay Adji ni nii ken Sarr ko ken menacé ko ko de mort ken musul def agression physique ci Adji c'est pour maintenant pourquoi ñom ñuy jappalé Adji Sarr mu daw elle est allée en Suisse elle a déclaré que elle est une refu comment dire une réfugiée de guerre. tout mmh, mmh. si elle a déclaré que ni. Il a été euh, exilé de force. Mais Lola, elle a déclaré en Suisse qu'elle est une réfugiée de guerre. Sénégal, à guerre. Elle a été persécutée dans ce pays. Tobabi, Tobabi, les événements. Les, les, blancs sont mieux non mais tubaab yi tubaab yi ñoo gën a renseigné wu mais loolu laa wax tubaab yi ñoo renseigné au Adji que Mom, Ndeye Billy quand elle, a déclaré que mom, elle est une refusée de guerre, il ko non Sénégal amul guerre avocat mi non non non du l'on a elle a déclaré que elle a été persécutée dans ce pays. Mais Madame dañ buntu khatal. pour nous xamul lan une persécution mooy Madame dañ ko buntu khatal ci persécutée. mi dañ ko def lan li ngay un opposant politique de de de comment de de viol mais ce que les PV ont révélé personne ne t'a violé Tout bi tu sait xamal Suisse wa Suisse xamal ko que nous la jox comme adresse résidence ci allant dans ce sens parce que yo li ngay déclarer ak les faits bokkul. Mm. mu daw Suisse ñeu France La Suisse ak France pour ne serait-ce que Suisse bu bañee ñom ñu jappalé ko pour France intégrer ko. elle est dans ça pour France intégrer ko mais la Suisse a refusé d'être complice dans cette affaire voilà les pays souverains yoo ont ne foofu ay dëkk ay loi qui